pas de changement. Vous savez, le processus électoral est quand même assez complexe, contrairement à ce que l'on pense. Nous sommes dans un système où euh, rien n'est clair, où il y a toujours des pièges qui sont posés pour éliminer des citoyens alors que la loi devrait gagner à être claire pour qu'elle puisse être appliquée convenablement. Donc Aïb Dafé, lui, son rôle, c'était simplement de s'occuper des formalités administratives. Actuellement, nous sommes dans une phase juridictionnelle où c'est le Conseil constitutionnel qui, en fait, doit s'occuper du reste, notamment de l'examen des candidatures, de la liste des candidats devant participer aux élections, recevoir les contentieux qui pourraient en fait se poser et enfin euh, proclamer les résultats. Donc nous sommes dans une autre phase. il n'y a pas donc de, problème à ce niveau. Euh, le travail d'Aïb Dafé étant terminé, le relais, le président Ousmane Sonko euh, m'a désigné comme étant aussi bien son représentant que son mandataire. Parce que dans la loi, il y a le représentant, il y a le mandataire, et il est clairement expliqué que si le représentant n'est pas le mandataire lui-même, il doit se présenter en personne. Or, il est en détention. Et pour euh, en fait contourner la loi, il fallait donc réunir sur la tête d'une seule personne la représentation et le mandat. Alors, le, président de la commission a indiqué tout à l'heure euh, dans son discours que les dossiers incomplets ne seront pas pris en compte dans euh, le cadre du contrôle de parrainage, même s'ils sont pris en compte dans le cadre quand même de... Euh, comment comprenez-vous cette, cette décision Bon, vous savez, euh, en ce qui nous concerne, nous avons satisfait à toutes les exigences de la loi. Et nous avons déposé un dossier complet et en béton. Donc je pense que nous ne sommes pas concernés par ce qui a été dit. Une autre question vous savez, euh, il faudrait d'abord que l'opinion soit informée sur le fait que la candidature du Ousmane Sonko est portée par une coalition de partis. Il y a le Front National, il y a ensuite l'Union euh, des forces patriotiques, il y a enfin euh, le, excusez-moi, il y a, il y a un troisième, c'est le cadre de réflexion pour un développement intégral. Et Ousmane Sonko a été le premier à désigner un mandataire et à déposer la déclaration, n'est-ce pas, exigée par la loi. Par ailleurs, il a été c'était le 11 décembre. Il a été aussi le premier à déposer son dossier de candidature le 12 décembre. Donc, il porte le numéro 1 dans la candidature à la candidature. Donc, il est important qu'on le sache, n'est-ce pas Et nous pensons que les turpitudes de l'administration, les obstacles de l'administration ne font pas la loi. La loi, elle est là, elle permet toujours à une partie de satisfaire aux obligations légales et nous avons satisfait à toutes ces obligations. Alors, euh, vous avez satisfait à toutes ces obligations, mais on a constaté que euh, la CDC euh, n'avait pas donné à Ousmane Sonko le cutus concernant la L'attestation, je veux dire, concernant les 30 millions à verser pour la caution. il n'avait pas non plus de fiche de parrainage. Qu'est-ce que vous allez déposer à la place de ces deux? Bon, d'abord, ce n'est pas exact lorsqu'on dit qu'il n'a pas déposé de fiche de parrainage. Je n'ai pas dit ça. D'accord. Vous étiez parti retirer la fiche de parrainage, mais la Direction générale des élections n'avait pas accepté. Comment est-ce que vous avez fait pour enfin déposer euh, ces parrains euh, Vous allez visiter la Constitution, visiter euh, les décrets, les arrêter. Vous verrez que ce qui est demandé à l'administration, c'est de délivrer un modèle de fiche parrainage. Nous avons déposé un modèle conforme à la loi et conforme qui a toutes les mentions, n'est-ce pas, exigées par les fiches qui sont délivrées par, euh, comment dirais la direction générale des élections. C'est un premier point. Le deuxième point aussi, nous avons satisfait à une jurisprudence du Conseil constitutionnel pour pouvoir déposer notre dossier concernant la caution. Donc retenez que nous avons un dossier en béton. Alors, alors présentation s'il vous plaît. Merci. Ousmane Bagan, ma mandataire, euh, euh, Rose Wardini du Sénégal Nouveau. alors Thaïlande euh, a au sort position Rose Wardini également message.